Ok, bon, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, j'espère que vous m'avez déjà reconnu. J'étais là hier. <laughs> J'ai pas changé de <laughs> truc là, mais ça va. Donc, euh, j'ai un truc très important à vous dire. Ok. Je viens d'être admis à mon examen. Wow. Donc, ça mérite des applaudissements. Waouh, vraiment, waouh. C'est un examen du baccalauréat Non, c'est FEPD. C'est FEPD. <laughs> bon, ce qui, est, qui est vraiment important, c'est que j'ai échoué 50 fois, mais j'ai pas, pas baissé les bras. Never give up. Never give up. Hmm. Donc, et après ces 50 échecs, ce que j'ai vraiment compris, c'est que le truc pour les réussir, c'est de tricher. Non, excusez-moi, de travailler. <laughs> L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présent. L'artiste s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste Issa Limouriste. Il répond au nom de Issa Salaw. Il a commencé l'humour à maradi Bachinko kohon sunan fada Issa l'humoriste a débuté en 2017 il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim nous sommes dimanche même heure même fréquence on va seulement changer un tout petit peu les choses parce que au jour d'aujourd'hui, nous allons parler en question des prestations de l'artiste Issa Limouriste. Nous allons parler un peu de la production, de la diffusion et nous allons aussi parler des projets en question de l'artiste, l'avenir de l'humour au Niger. Je vous dis une chose, mesdames et messieurs. L'avenir de l'humour au Niger repose sur les épaules de ces jeunes. Vous vous rappelez certainement de Wanuski, on l'a reçu sur cette émission. Vous vous rappelez de Ibo, on l'a reçu. Sayo, on l'a reçu. Vous vous rappelez aussi, euh, bien évidemment, euh, de, euh, parle-moi de, de, notre comédien On a reçu Tchatcho sur cette émission. On a reçu Barapro sur cette émission. Ah ouais, tu suis de près, toi. Ah ouais, je connais tout le monde. Donc nous, nous savons déjà ce que vous valez, valage, valorisation de... ce que vous valez. Bon, ils ont compris. Tout simplement. Voilà. On se casse la tête pour faire un bon français. Vraiment. Quoi. Il faut juste comprendre. On comprend. Et puis, on n'est pas obligé de, faire le français. L'essentiel est qu'on parle le français pour permettre à tout le Niger de nous comprendre. Ah Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette émission, tu peux me parler de tes prestations, de ce que tu fais ou ce que tu as déjà fait et de ce que tu comptes faire pour la patrie. On va emprunter le terme de Thomas Sankara. La, patrie, ou la, mort, nous, Pour la patrie, qu'est-ce que tu as fait déjà pour la patrie, ce que j'ai fait déjà. Qu'est-ce que tu as fait déjà C'est qu'on a fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Et maintenant, il y en a aussi ceux qui ne sont pas au Niger, qui nous connaissent. connaissent. Qui arrive. Ce qui arrive, c'est du lourd. Du lourd. Parmi ces vidéos qui sont déjà disponibles sur ta page, Hein? Est-ce qu'on peut avoir quelques-uns qui t'ont plus marqué Quelques-uns qui m'ont plus marqué, il y en a. C'est ma première vidéo qui a déjà fait 100 et quelques mille vues, 165 000. 165 000 vues. Ta vidéo a parlé de quoi c'est une vidéo que j'ai fait avec Fanny. Tu connais Fanny hein? Je connais Fanny, voilà. la fille qu'on doit aussi recevoir sur cette émission. Donc, c'est une vidéo où je marche avec elle, je suis en train de la draguer, elle, elle ne m'écoute pas. Ok il y a des gens qui passent et qui me disent hey, eh, Salut Salimou, c'est lui, c'est moi. Donc ils disent On peut faire un selfie. On, prend le selfie. Après, je donne mon lettre au gars. Après, un deuxième vient, on prend, je donne ma veste. Après, et un, troisième, un troisième vient, je donne mes chaussures. Et, et en fin de compte, tu as blasé la meuf. Oui. C'est là, elle dit elle-même, elle, elle, elle, elle est avec Ah, ok. Donc, elle a pris le selfie. Elle est partie, je lui ai donné mon numéro. C'est même pas moi qui ai pris son numéro. C'est elle qui a pris finalement ton numéro parce qu'elle a vu une star. Tout le monde veut faire selfie avec toi. Ok. là, c'était un coup monté. Mhm. Après, quand elle était partie, je sais pas, elle a, fait un semblant comme si elle a fait. Elle a perdu le numéro. Ok. Elle a vu là où je suis parti. Ok. Elle m'a suivi. Mhm c'était mes amis. Bien sûr, c'était, ah, tu étais en complicité avec, tes amis. Ok. Et j'étais là en train de récupérer mes affaires quand elle nous a vu. Ah, t'es foutu. <laughs> Ah, c'est ta toute première vidéo. Non, non, c'est pas ma toute première vidéo. Mais ah, ben c'est une des vidéos qui t'a plus euh, boosté. boosté. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée du nombre de vidéos que tu as Juste une estimation, c'est que c'est beaucoup. c'est beaucoup. Sur ta page. Parce qu'on doit faire la promotion de ta page tout de suite. Il y en a beaucoup. Hein. Sur ta page plus d'une cinquantaine, je vidéos. Cinquantaine de vidéos de l'artiste Issa Dimouris. Et tu travailles avec les deux autres comédiens Oui, je travaille avec les. Avec qui et qui Wanuski, Ibu, Abakar, Abdul, Mayo. Majo. Majo. Fanny. Fanny. Oh, tout le monde. Tout le monde quoi Tout le monde, Chacho. Oui. Tous qui sont. Tous euh, Tout ce qui est dans la comédie. et tu tapes avec eux. Super. Euh, euh, alors, est-ce qu'on peut parler de ta page pour permettre à toute cette jeunesse qui nous kiffe La page, c'est Issa Dimoriste. C'est le même nom sur Facebook. Instagram, tu Twitter, YouTube, c'est le même nom. Tu dis la page. La page. C'est Issa. C'est Issa, l'humoriste. Elle est sur Facebook. Facebook. Instagram. Instagram. YouTube. YouTube. Twitter. Twitter. Snapchat. Snapchat. Kai ko ina akwai. <laughs> Ko ba quoi, kowai gidan Ko ba <laughs> Non mais voilà. Alors, on va parler de tes projets, des projets pour le Niger Projet pour la comédie, projet pour la culture, projet, projet pour... la culture, pour le Niger. Projet pour le Niger Ouais, on a un gros projet pour le Niger. C'est que nous, hmm. tu vois, au Niger, les anciens cinéastes, mhm. c'était les scènes Mega Djengari et mhm. autres. Donc eux, ils ont déjà fait leur preuve et tout. Mais nous aussi, on veut faire aussi pour nous mhm. et laisser une trace ici au Niger mhm. de, notre vécu. Parce qu'on va mourir un jour. Bien sûr. il faut laisser quelque il faut chose. Il faut laisser quelque chose avant de mourir. Il faut laisser quelque chose avant de mourir. C'est ce qu'on dit man, do something before you die. C'est pas ça. <laughs> l'homme fait quelque chose avant de mourir. Voilà, l'homme fait quelque chose avant de mourir. Donc nous, c'est ce qu'on ce qu'on veut vraiment apporter comme contribution au Niger, c'est vraiment de faire rire les gens. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le rire faire fait évader les gens, le guérir, Souvent, quand tu, quand tu vois, la meilleure manière de faire passer un message, c'est de le passer en comédien. Tout rien, La, personne ne va pas se sentir vexée ou un truc comme ça. Il va rigoler et il va comprendre vite le message. L'humour, euh, si tu veux, la comédie a de l'avenir selon toi au Niger Oui, il y a de l'avenir à l'humour. Ok, tu penses que. Je euh, pense que si Maman a, a réussi, nous a réussi, qui aussi est en train de réussir. Tout le monde va réussir. Tout simplement. Ouais. Maintenant, puisque l'humour ou la comédie a de l'avenir au Niger, est-ce que tu as un message à l'endroit de tes frères humoristes qui regardent cette émission pour que y lâche quoi Ouais. Susanda, never give up. Never give up. la caméra Donc, mes frères humoristes, comédiens et tout, restons soudés comme on est, gardons le cap Continuons de travailler comme ça. Faisons plus de vidéos. Et voilà, ça va aller. Et surtout, monétisons les vidéos. Tu vois, quand, je prends l'exemple des, réseaux téléphoniques, c'est nous qui font que gagnent de l'argent avec les mégas. Parce que la plupart, quand je rencontre des gens sur, la route, ils disent c'est vous qui bouffez mes mégas à chaque fois. Ah, ah, en regardant les, vidéos. Il y avait un gars qui me disait, lui, avant, avant, quand il n'y avait pas nous, quand on n'avait pas commencé. quand, il met, quand il mes gars. 1000 francs peut faire un mois. Un mois pour Mais son maintenant, Mais dès qu'il regarde une vidéo. Il regarde pour moi, il regarde pour Comment monétiser donc avec les compagnies téléphoniques Donne un peu, euh, toi, tes idées à tes frères artistes qui regardent cette émission. Vous devrez vous concerter pour aller là-bas. On, on doit nous concerter pour aller. Pour que vous soyez aussi rémunérés en fonction des nombres de vues Oui, peut-être ça. Ou peut-être et le ministère de la Culture fait quelque chose aussi pour les, artistes. Tout simplement. Le message, on espère qu'il n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. C'était Issa C'est une Isaka, Mustafa Yuba à la réalisation. C'était aussi Issa l'humoriste. La machine dit, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Sushi. Maintenant, j'ai pu quitter la femme. <laughs>